18h15 à bonsoir et bienvenue. Si vous nous rejoignez, vous êtes à l'écoute du forum de Studio Kalangou que vous présente Reila Toussoumana. Les programmes de Studio Kalangou sont diffusés en direct sur 34 radios partenaires à travers le Niger et ceux du lundi au vendredi de 17h à 19h et les week-ends de 17h15 à 18h15. Le forum du studio Kalangu est un espace d'échange avec des invités dans le respect mutuel. Aujourd'hui, nous parlons des phénomènes de violence en milieu scolaire, ampleur, conséquences et solutions. Les violences scolaires frappent de nombreuses personnes, élèves ou enseignants partout dans le monde et le Niger ne fait pas exception. Une violence qui s'installe progressivement dans les écoles, qu'elles soient publiques ou privées. Quelles sont les différentes formes de violence enregistrées dans les écoles Qui sont les auteurs et les victimes de ces agissements Que font les autorités en charge de l'éducation pour mettre fin à ces agissements Que dire de l'administration des écoles concernées Je suis ce soir dans ce studio avec deux acteurs de l'éducation pour répondre aux différentes interrogations que vous vous posez par rapport à cette thématique. Il s'agit de M. Cheibou Dambaji, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire. Dans ce studio, nous avons Salha Keila, secrétaire général adjoint de l'Union des étudiants nigériens à l'université de Niamey, et M. Abdoulaye Adamou, président régional des parents d'élèves que nous aurons en ligne au cours de ce forum. Le représentant du ministère de l'enseignement secondaire que nous avions sollicité pour ce forum n'a pas honoré notre invitation. Messieurs, dames, bonsoir. Donc, la violence à l'école est devenue une préoccupation centrale dans certains établissements scolaires du Niger. Plusieurs pays de l'Afrique subsaharienne sont concernés par cet état de fait, une réalité que vivent au quotidien élèves ou enseignants. Monsieur Dambaji, vous êtes euh, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire. Dites-nous à quoi se reflètent euh, les acteurs du monde scolaire quand ils parlent de violence scolaire. Merci Rahila. La violence en milieu scolaire n'est pas propre en fait à l'Afrique. Dans certains pays, c'est plus dramatique. Par exemple, une société comme la société américaine, de temps en temps, ça se manifeste de façon dramatique où c'est un élève qui vient avec une arme qui tire sur tout ce qui bouge. Donc, le phénomène n'est pas propre à nos pays. Et lorsqu'on parle de violence en milieu scolaire, on semble faire croire à l'opinion que c'est propre au milieu scolaire c'est propre à nos sociétés. C'est parce que dans nos sociétés, il y a violence qu'au niveau des écoles que ça se manifeste. Donc les différentes contradictions qu'il y a au niveau de, la société, elles se manifestent aussi dans le milieu scolaire. Alors le plus souvent, eh, on en parle à l'occasion de l'agression eh, d'un enseignant. Eh, là, on en parle. Ça, c'est que la partie visible de l'asberg. Vraiment, je vous jure, je vous assure, il le phénomène de violence exercé par l'élève sur l'enseignant, c'est un phénomène rarissime. Et quelles sont les différentes formes de violence euh, auxquelles on assiste dans nos écoles euh, Par exemple, euh, il y a la violence intrascolaire. Moi, il n'y a pas longtemps, moi j'ai lu une étude qui a été faite en milieu scolaire des différentes formes de violence. Il y a les violences physiques et il y a même les violences sexuelles. Il a été démontré qu'il y avait du harcèlement sexuel de la petite fille, de, par les garçons ou par les, par les enseignants. Donc, ce n'est pas un phénomène nouveau. <laughs> Du reste, tellement que ce n'est pas nouveau que dans nos différents règlements intérieurs, que ce soit au secondaire qu'au niveau de l'université et même au niveau du primaire. <laughs> au niveau des écoles primaires, c'est quand le plus fort euh, à la récréation arrache l'argent du plus faible ou le menace. Ça, c'est euh, entre élèves. Et il y a la violence aussi que l'enseignant peut exercer sur l'élève. Je vous dis les cas dramatiques dans ma carrière qu'on a eu à gérer de violence, c'est lorsque un élève a, a tété un enseignant. Je dis bien tété. Dans la classe Non, en dehors de la classe. L'élève euh, a suivi l'enseignant pour le, pour le taper physiquement. Lorsqu'on a eu à gérer ça, nous nous sommes précipités pour prendre euh, une décision, mais malheureusement, tout renseignement pris, nous étions obligés de revoir la décision que nous avons prise. Parce qu'il s'est avéré que notre collègue était réputé être insulteur. Il insultait vulgairement les élèves. L'élève qui a tété, c'est parce que l'enseignant, à l'occasion d'un devoir surveillé, il a fait sortir l'élève à l'insultant de la classe. L'élève l'a attendu en sortant. Il voulait eh, s'expliquer parce qu'il n'a pas pu faire le devoir. L'enseignant ne l'a pas écouté, il l'a insulté encore vulgairement. Donc, <laughs> l'élève l'a tété. Tout ça nous n'avons pas ces informations, c'est par la suite que nous avons. Mais quelles ont euh, été les, sanctions euh, vis-à-vis de ce non, et de l'élève, bien sûr Non, l'élève, quand nous avons euh, appris, nous sommes réunis en tant qu'enseignants. Nous ne pouvons pas cautionner la violence sur un, de, sur un de nos collègues. Nous avions décidé à l'époque d'aller en grève et de demander à ce que l'élève-là, conformément au règlement intérieur, qu'il soit exclu. Mais lorsque les élèves donc le bureau des élèves était venu nous rencontrer, et nous a relaté les faits. Et là, je vous dis que nous étions obligés de revoir notre position. Quand quelle a... été euh, la solution trouvée par rapport non, à mais la, la, la, solution a été trouvée à l'interne. Donc, <laughs> le conseil s'est réuni, on a sanctionné l'élève, on a demandé à l'élève de venir s'excuser, même si l'enseignant l'a insulté, il n'est pas admissible quand même qu'il puisse l'agresser. Mais on n'a pas raté l'occasion de rappeler à nos collègues que les insultes ne font pas partie de ce qui est autorisé au niveau de l'enseignement. Donc euh, nous allons partir euh, auprès de notre correspondant en ligne. Allô, Monsieur Abdoulaye, vous êtes le président régional des parents d'élèves. Oui, le président régional des parents d'élèves. Donc vous, avez écouté l'intervention de Monsieur Dambaji, euh, le secrétaire général des enseignants du secondaire. Selon vous, qu'est-ce qui pousse ces personnes, élèves ou enseignants, à poser certains actes de violence envers les autres voilà, justement, j'ai suivi euh, attentivement les formes de violence, par exemple, euh, bon, nous pouvons euh, parler de la violence psychologique, morale, voire physique, à partir du moment où il prend le cas de, l'élève à l'enseignant, mais quand à l'enseignant, à l'élève, par exemple, un enseignant qui exige et qui prend le numéro des jeunes filles pour leur demander parce qu'elles n'ont pas la moine, et, et, des menaces pour échanger la moine en contrepartie des rapports sexuels. Vous voyez, cela fait euh, déjà une manière de violence. Et par rapport à la violence, c'est à partir de l'éducation de base. De l'enseignant à l'élève, il y a des agressions. Et de l'élève à l'enseignant, il y a des agressions. Mais c'est dû vraiment au mauvais comportement, non seulement des enseignants, et à la démission des parents c'est-à-dire les élèves sont euh, mal éduqués à la base. Vous voulez euh, dire que tout découle de l'éducation à la maison L'éducation à la maison qui est à la base de tout. Parce que quand un élève arrive avec une voiture ou une arme à l'école, c'est que ses parents sont à l'origine de, cette situation. Nous avons eu des élèves, par exemple, les écoles comme l'école Sony, là, ils ont un terrain à la devanture de l'école. Ils font pour leur beau somme avec des véhicules faisant de 8, de S et de et ça, c'est parce que les parents qui les laissent faire. Ce qui veut dire que ces enfants-là, c'est des familles souvent aisées et puis des enfants mal éduqués et qui ont tendance à contaminer les autres. Ouais, ça veut dire que vous, vous rejetez la faute euh, aux parents Totalement aux parents. Parce que, aux parents, parce que non seulement l'éducation civile, civile et morale de l'école ne fait qu'une complémentarité. D'accord. Euh, l'éducation physique euh, et morale n'est plus enseignée dans l'école. Vous voyez, donc, qu'il faut arriver à l'école avec une, éducation de base. Est-ce que quelque part, le fait que l'éducation physique ne soit plus enseignée dans les écoles euh, accentue cet état de fait Absolument. Aujourd'hui, les enseignants, eux-mêmes, n'ont pas de bon comportement. Merci, Monsieur Abdoulaye. Le temps de donner la parole euh, à Monsieur Salha. Monsieur Salha Keila, bonjour. Vous êtes euh, le secrétaire général adjoint de, de Donc, euh, les élèves et les étudiants disposent d'une organisation qui s'appelle la CASO, la Commission des affaires sociales et, de l'ordre. Quel est le rôle de cette organisation Je vous remercie d'abord pour vraiment cette initiative qui consiste effectivement à pouvoir éduquer les à travers euh, un travail de sensibilisation. Je voudrais d'abord définir euh, notre organisation qui est l'Union des scolaires nigériens qui est reconnue à travers l'acte numéro 27 de la conférence nationale euh, souveraine. Il faut reconnaître que cette organisation a participé activement à la vie démocratique de notre pays, encore qu'elle a même arraché de haute lutte euh, l'arracinement de ce joyau qui est la démocratie dans notre pays. donc euh, l'Union des scolaires nigériens, est dirigée par un comité directeur qui est l'organe moral et politique et qui s'occupe de la coordination de toutes les activités des différentes structures de l'ISN. Maintenant, il faut reconnaître que l'ISN est organisée en sections et sous-sections. Chaque section, elle a une autonomie de gestion et c'est à son sein de pouvoir s'organiser, de pouvoir se définir un certain nombre de principes qui doivent caractériser la ligne de conduite et de la gestion interne de ces, de ces activités. Et donc, quand vous prenez en ce qui concerne particulièrement l'IENUN, qui est une parmi les 80 des sections de l'ISN, et qui, à son sein, il existe une commission qui est appelée Commission des affaires sociales et de l'ordre. Parmi les dix commissions de Parlement, parce qu'il faut les rappeler, il y a dix commissions Parlement qui épaulent le comité exécutif, qui est l'organe qui représente les étudiants au niveau des autorités, qui représente les étudiants au niveau de toutes les instances censées être les instances au niveau desquelles les étudiants euh, doivent être représentés. Notamment, il y a la commission des exposés, conférences, débats, il y a la commission séminaire atelier de formation, il y a la commission presse, il y a la commission bibliothèque Abdou Moussagir, il y a la CASO euh, qui est la commission des affaires sociales et de l'ordre. Maintenant, en ce qui concerne particulièrement la CASO, dont le rôle fondamental, c'est de s'occuper de la sécurité des étudiants partout où ils se trouvent, donc partout où ils sont en déplacement que ce soit sur la cité universitaire, que ce soit en ville, que ce soit dans les bus, etc., etc., que ce soit dans les facultés. Son rôle, c'est de veiller à la sécurité des étudiants partout où ils sont. Mais quelque part, euh, beaucoup d'élèves ou d'étudiants incriminent cette CASO-là de perpétrer les actes des étudiants ou des élèves. Non, en fait, euh, parfois c'était des, ce sont des allégations, à, la limite saugrenues que certains euh, cherchent à pouvoir entretenir de part et d'autre. La CASO, elle travaille inlassablement. Vous faites un tour la nuit au niveau de la cité universitaire. Ce sont ces éléments qui font le tour des facultés pour pouvoir faire des patrouilles, parce que la cité n'est pas sécurisée, parce que la n'est pas couverte par euh, euh, le mur de clôture de l'université. Donc, les étudiants, c'est eux qui se manifestent de façon bénévole pour faire le tour des différentes facultés, pour pouvoir faire la patrouille et prendre des malfrats. Et on a eu à démanteler à plusieurs reprises des réseaux de voleurs qui ont été toujours mis dans les mains de, de la police. Et ça, il faut le reconnaître, c'est de façon bénévole que ces camarades se manifestent. En dépit de leurs activités académiques, ils acceptent de venir travailler pour sécuriser les autres étudiants pendant que d'autres sont en train de dormir, d'autres sont en train de faire la carrière. Et en ce moment-là, ils s'occupent de pouvoir aller dans les facultés pour sécuriser Merci, les Merci, Monsieur Talha. Je vais revenir euh, à vous. Donc, Monsieur Dambaji, quel est votre avis par rapport à cette organisation, la CASO En fait, c'est aujourd'hui que les gens parlent de la CASO et sous seulement l'angle négatif. Je dis pas qu'il n'y a pas euh, de dérapage, mais ce dérapage par rapport à ce qu'elle fait comme euh, activité pour le compte de l'université, vraiment, euh, je pense que faut pas tuer la CASO, faut pas accuser la CASO, faut pas la diaboliser. Moi, quand j'étais à l'université, il y avait une commission des affaires sociales. Il n'y avait pas le haut. Et la commission des affaires sociales, ça là ce qu'il vient de dire, les différentes commissions, les attributions sociales étaient prises en charge par cette commission. Parce que le CENU ne peut pas gérer le quotidien des étudiants, ce qui se passe au niveau des bâtiments. Donc, ce sont les représentants des étudiants, donc la commission sociale, qui gérait cet aspect. Même le déplacement des bus à l'occasion des activités sportives et culturelles, c'était géré par la commission des affaires social. Le haut, l'ordre, a été mis à partir de 83, si vous voulez l'historique, et dans des conditions très très dramatiques. Moi, j'ai quitté l'université en 81. C'est en 83 que le haut a été mis. Quelles raisons Mais pour les raisons de l'ordre, parce qu'il y avait une situation conflictuelle ouverte entre les étudiants et l'administration, donc et le gouvernement à l'époque. Donc les étudiants s'étaient organisés pour sécuriser le campus contre ce qu'ils appelaient l'infiltration de la police notamment. Et l'année là, l'armée était intervenue sur le campus universitaire. Peut-être pour l'histoire, c'est bon de rappeler, parce que les étudiants avaient pris un officier de police en armes. Ils l'avaient pris en otage et ils étaient en train de, vous connaissez bien le milieu comme le milieu des jeunes. Donc euh, sa vie était, était menacée. Donc face à ça, l'armée était intervenue de manière musclée et elle avait décapité à l'époque tout ce qu'il y avait comme euh, organisation au niveau de l'université. Les responsables de l'ONU de l'époque étaient obligés de s'exiler. Beaucoup ont fini leurs études au niveau du Burkina Faso. Donc, <laughs> c'est pour dire que la violence dont on parle là, ce n'est pas un fait nouveau, mais il faut pas qu'on amplifie ça. Moi, ça me fait plus de 30 ans de carrière et je vis avec la CASO. Parce que la CASO, c'est pas seulement à l'université qu'il y a la CASO. Dans, tous les lycées, dans tous les lycées CES, il y a la CASO. Et nous, enseignants, nous vivons, nous côtoyons ça, la CASO. Et les conflits avec nous, parce que c'est de ça qu'il s'agit. C'est quand il y a conflit avec les enseignants que généralement ça fait le chou gras des médias, on amplifie. Mais lorsque c'est des conflits à l'interne, les gens n'en parlent pas. Lorsqu'ils parlent de, des enseignants qui se comportent mal vis-à-vis des élèves, notamment, aller jusqu'à faire une assertion grave en disant qu'il y a des enseignants qui font du chantage avec les notes je ne dis pas qu'il n'y a pas, mais vraiment je considère que c'est des brebis galeuses. Pour l'essentiel, les rapports enseignants-élèves sont des rapports euh, sains. En tout cas, moi, dans les milieux que je connais, je ne dis pas qu'il n'y a pas de brebis galeuses. Et ça, c'est dans tous les milieux, que ce soit au collège, au lycée et à l'université. Mais <laughs> lorsqu'on vous rapporte aussi ce qui se passe euh, à l'université, dans ces rapports étudiants-enseignants, je vous dis, on peut avoir beaucoup de témoignages moi qui suis responsable syndical, je vous dis, j'ai eu beaucoup de témoignages de mes collègues, de ce qu'ils ont eu comme euh, harcèlement lorsqu'elles étaient étudiantes. Donc vraiment, ces questions-là, il faut les traiter avec discernement. Il y a violence, c'est un fait. Mais comment faire face à cette violence Il faut en parler. Ça, c'est la première des choses. Il faut en parler et trouver le mécanisme approprié pour gérer ça. D'accord. Merci, Monsieur Dambaji. Vous êtes secrétaire général euh, du syndicat des enseignants du secondaire. Allô, Monsieur Abdoulaye, vous êtes là oui, je suis là, madame. Donc, vous avez écouté les propos de nos invités ici présents oui. Est-ce que vous avez l'habitude d'abord de, recevoir des plaintes euh, d'élèves ou d'enseignants par rapport à des violences euh, qui leur étaient arrivées euh, à l'école Vous savez, au niveau des écoles, le manque de respect entre enseignants et élèves et entre élèves enseignants. Ah, vraiment, je vous dis, c'est un quotidien, mais dans tous les cas, au niveau des collèges, comme l'a dit M. Dambadji et les lycées, là, je ne pense pas qu'il va avoir, qu'il avoir de la CASO là-bas. La CASO ne se trouve qu'uniquement à l'université, nous, à notre connaissance, parce que les écoles, collèges et lycées ont leur, règlement intérieur. Et ils sont vraiment au quotidien avec les parents. Ils doivent gérer certaines situations. Quand on crée des cadeaux au niveau des collèges, c'est très très grave. Au niveau des, l'université. Aujourd'hui, le problème que l'université a, et peut-être euh, juste la mal compréhension des uns des autres, c'est de voir comment restructurer cette case-là, voir ses actes limites d'accès, d'action, euh, pour éviter vraiment qu'il y ait des plaintes sur cette même casse-là. Parce que quelquefois, il y a des actes commis par la CASO, et on parle de la CASO, d'autres par demander leur, eh, qu'est-ce que c'est aujourd'hui? au sein d'une structure, est-ce avoir une structure de sécurité La structure en tant qu'elle-même doit avoir son règlement. Et voilà, cette casier-là doit avoir euh, vraiment à suivre d'autres schémas pour mener à bien ses activités. Parce qu'aujourd'hui, il y a eu beaucoup de plaintes. C'est pourquoi les enseignants ont demandé la dissolution de cette CASO. Oui, mais en laissant la case de côté, en général, est-ce qu'il y a des élèves euh, ou des enseignants qui se plaignent auprès de votre association euh, vous savez, euh, nous, les de situation, on a toujours été dans les écoles pour régler déjà des de problèmes. On a vu des cas, mais sauf qu'on a toujours été sur le terrain pour régler ces problèmes Nous avons chaque fois, dès qu'on nous signale une situation, nous serons promptement sur le terrain pour régler cette situation-là. La figure va manquer de problèmes au niveau des écoles, particulièrement dans les collèges, dans les lycées. au niveau de l'université, vous savez, là, ce n'est pas des, petits hommes, c'est des, grandes personnalités, c'est des étudiants. C'est n'est pas juste euh, leur, euh, leur examen et puis ils vont rendre service à l'État. Ok, merci Monsieur Abdoulaye. Le temps de donner la parole euh, à Monsieur Salha, ici présent. Donc, euh, quelque part, est-ce que la CASO ne contribuerait pas à une sorte de violence euh, Parce que, comme vient de le dire Monsieur Abdoulaye, il a parlé de dojo. Est-ce que vous pouvez nous dire ce que ça veut dire en fait, euh, moi j'avais l'histoire de Dojo. C'est en fait une vieille histoire. Aujourd'hui, vous demandez chez un étudiant c'est quoi Dojo, il ne pourra pas vous répondre. Mais nous, pour avoir fréquenté les anciens cadres, nous en avons eu la, connaissance de ce que ça veut dire. C'était un espace qui était réservé avant, parce que euh, ça fait plus de dix ans, on ne parle pas Dojo. Donc c'est quelque chose qui est très vieux, qui n'existe pas aujourd'hui. Aujourd'hui, la CASO a, un nouveau rythme. Oui, mais certainement, vous avez une idée de genre d'interpellation qu'il faisait. Oui, l'interpellation qui se faisait, c'est que quand on vous amène dans la salle d'interpellation de les années antérieures, selon les anciens cadres, vous devez rédiger une liste d'excuses adressées à l'organisation. Ce n'est plus à l'ordre du jour. Vous demandez à un étudiant ce quoi d'aujourd'hui aujourd'hui, il ne le sait pas. Parce que eh, on ne l'utilise plus en fait, on voulait diaboliser à un certain moment de l'histoire. Surtout avec ce petit incident qui a eu lieu avec un ancien chercheur. On voulait coûte que coûte euh, créer les conditions de pouvoir diaboliser une structure. Mais je veux vous dire quelque chose. Aujourd'hui, quand un étudiant est malade, c'est la CASO qui veille sur sa santé. C'est la même CASO qui vient pour passer la nuit à l'infirmerie pour prendre, pour prendre Avec le fonds de l'UNUN. Aujourd'hui, quand il y a un conflit entre un étudiant et un étudiant dans une chambre, c'est la CASO qui part là-bas pour pouvoir régler ça. Et à l'amiable, quand il y a un conflit entre une étudiante et une étudiante, et ça, c'est un cas qui est très fréquent. Rien qu'hier, on m'a signalé ça, j'ai envoyé des éléments qui sont partis pour régler ça à l'amiable. Et quand aujourd'hui, on constate qu'il y a des voleurs qui ont fait des actes, ils rentrent sur le campus universitaire, il y a beaucoup de voleurs qui ont été démantelés. Et je veux vous dire, je vais vous donner un exemple le plus récent, il y avait un étudiant qui était sorti de la cité francophonie pour regagner le campus universitaire dans les environs de 11 heures. Il était sur le pont. Il y avait des, agresseurs qui l'ont attaqué. Quand ils l'ont attaqué, il a perdu jusqu'à quatre dents. Ils l'ont tabassé, ils ont pris ses, téléphones, ils ont pris son argent. Maintenant, ces agresseurs-là sont rentrés dans l'eau. Mais c'est la CASO qui était partie jusque dans l'eau pour prendre ces agresseurs-là. On les a amenés au campus et puis on les a amenés au niveau de la police. C'est la CASO qui fait ce travail-là. Ce n'est pas quelqu'un d'autre. En fait, euh, dans toute structure, il y a des hauts et des bas. Ça, il faut le reconnaître. Tout comme la violence en milieu scolaire, c'est un concours de circonstances. Personne n'est quand même mécaniquement violent. Il n'existe pas au monde. Mais la violence, c'est lorsqu'il y a de l'injustice. C'est lorsque les textes ne sont pas du tout respectés. Monsieur Dambaji, vous êtes le secrétaire général euh, du SINES. E Donc, euh, dites-nous quelles pourraient être les conséquences euh, des actes de violence sur la performance des victimes de cet abus. Mais avant de répondre à votre question, je voudrais comme dire aux représentants des parents d'élèves que la CASO existe bel et bien dans les lycées. Peut-être elle n'a pas la dimension des casos au niveau des universités. Parce que c'est bon quand que les gens <laughs> sachent que l'université, c'est un espace où vivent des milliers d'étudiants. Dès que vous avez des milliers d'étudiants, il y a quand même un minimum d'organisation nécessaire. S'il il n'y a pas de force de l'ordre, en dehors de l'aspect social, c'est comme une nécessité. Il ne faut pas que les gens jettent euh, le bébé avec l'eau du bain. Il faut plutôt chercher à assainir les mœurs les dérapages, si dérapage il y a, au niveau de la CASO. Eh, eh, mais vous ne pouvez pas décréter comme ça qu'une structure qui a son organisation interne, vous ne pouvez pas décréter que ça disparaisse. Même si le gouvernement dit qu'il le fait, mais comment est-ce qu'il va le mettre en application Parce que les étudiants, les lycées peuvent décider de passer outre quels sont les moyens qu'il a pour l'empêcher. Moi, je pense que ces questions-là, il faut il faut les gérer vraiment avec discernement et avec le sang-froid nécessaire. Maintenant, je reviens à la question que vous me posez. Vous savez, la violence, c'est un fait dans nos structures. Euh, du moins c'est dans les établissements. Et quelles sont les conséquences Les conséquences sont connues de tout le monde. Sur la performance euh, de la personne, oui. Mais sur la performance, s'il n'y a pas de sérénité, la condition de euh, de la performance d'un système, c'est la stabilité. Ça, c'est le premier déterminant. Donc, s'il y a violence au niveau des écoles, euh, au niveau de l'université, ça veut dire que les rapports, les rapports ne sont pas du tout euh, sains. Que ça soit à l'interne, entre étudiants, et entre eux, <laughs> s'il n'y a pas de conditions de sérénité pour que l'étudiant, l'étudiante puisse étudier, puisse aller au restaurant, puisse s'épanouir au niveau du campus, eh, il est bien évident que vous ne pouvez pas avoir de performance. Et au niveau de nos lycées, c'est la même chose. S'il y a un cadre de violence, mais moi, je vous dis, eh, il y a des choses, eh, la partie visible de l'asperge, là, il faut en parler. Moi, l'étude que j'ai, que j'ai lue, qui a été commandée par une ONG de femmes, il y a des pratiques qui sont eh, gravissimes. Telles que Mais le fait qu'il y ait harcèlement au niveau des, des écoles, des petites filles, c'est un phénomène qui est réel c'est aussi une violence qu'il faut qu'il faut pas négliger. La conséquence elle est immédiate. Si la fille ne se sent pas en sécurité dans le milieu où elle apprend, <laughs> elle est bien évident qu'elle va pas rester. Ça se répercute sur les études. Mais ça se répercute nécessairement sur les, sur les résultats. Vous savez, je suis régulièrement BBC, la plus grande université du Nigeria, qui est à Kano. L'université a décidé de faire face à la violence au niveau de l'université. Pas euh, l'aspect visible qu'on voit. Ils sont allés au-delà on a donné la possibilité aux étudiantes et aux étudiants qui font l'objet de chantage, comme le dit le parent d'élève, ils ont la possibilité, il y a des lignes qui sont des mécanismes qui sont prévus pour que, en fait, ces formes de violence-là soient dénoncées et de manière la plus discrète. Donc, les violences, on ne les voit pas toujours. Mais moi, je vous dis, même à notre temps à l'université, l'enseignant, son comportement, en fait, n'est pas différent du Seigneur le bon Dieu. Or, <laughs> si vous voulez eh, qu'il y ait conditions de réussite, il faut aussi que l'enseignant se remette en cause, surtout dans les systèmes francophones. Dans les systèmes francophones, <laughs> l'enseignant, ses rapports avec l'étudiant, en fait, il peut écraser. Il peut écraser l'étudiant et rien ne se passe. Et on se plaint, moi je vous dis, quand je suis les interventions des jeunes étudiants là, notamment leur SG, il y a une, revendication récurrente. Personnellement, je trouve qu'elle n'a pas sa raison d'être. Lorsque le Noun demande à ce que le rectorat établisse un plan académique, que de telle période à telle période, voilà ce qu'on doit faire, le Noun n'a pas besoin de demander ça. Ça fait partie de ce que les différentes facultés, de ce que le rectorat doit exiger. De telle période, puisque c'est le système LMD. de telle période à telle période, c'est le premier semestre il faut qu'à la fin du semestre, tous ceux qui sont censés euh, finir euh, leur, enseignement, qu'ils le fassent et qu'ils fassent les évaluations. Or, je n'ai pas l'impression euh, qu'on fasse attention à ça. C'est aussi une forme de violence. Lorsque vous mettez l'étudiant dans les conditions de frustration, je dois faire ma licence en, trois ans, et que du fait du comportement de l'enseignant, qui me méprise, qui corrige comme il veut. Mais vous en faites pas, Hila. C'est aussi des conditions, c'est le terreau de la violence On va donner la parole euh, au représentant des parents d'élèves qui est en ligne avec nous. Monsieur Abdoulaye, vous nous écoutez oui, je vous écoute, madame. Voilà, donc euh, dites-nous, une fois que les personnes impliquées dans telle ou telle violence euh, a été euh, identifiée, selon vous, qu'est-ce que vous demandez comme sanction à l'égard de cette personne-là Vous savez, au niveau de, de l'université, en général, que ce soit au primaire, au secondaire ou au supérieur, oui. Vous savez, euh, il, y a, faut particulariser les, secondaires et les universités parce que quand on me dit que la CASO va exister dans les collèges, les lycées, euh, vraiment c'est très grave parce que y euh, j'ai vu tout récemment un cas quand un des candidats voulait se poser à, une candidature juste du bureau de la section. il a été menacé par la dite CASO, même tapé, et il s'est retiré. Oui, ça c'est normal. Et pendant que dans les lycées, les collèges, ils ont les bureaux, les bureaux des parents d'élèves et qui doivent être à côté d'eux. donc, il euh, euh, y, a les commissions administratives. Oui, les que les, parents d'élèves pour mettre fin à ces agissements Pour mettre fin à ces agissements, dans tous les cas, c'est qu'il faut, il faut que les parents euh, reprennent vraiment la bonne volonté. Il faut que les parents s'y mettent. Euh, au niveau des secondaires et des primaires et autres. Parce qu'il y a une démission des parents. Vous comprenez Quand on convoque par exemple une réunion dans une école primaire ou un collège, à peine euh, euh, dans des collèges par exemple, on trouve jusqu'à 3000 élèves, on convoque ces parents, on arrive à avoir à moins de 100, personnes qui viennent à ces réunions-là. Vous comprenez Pendant ces réunions, on peut résoudre tous les problèmes, toutes les questions de, cette, de, là au niveau de l'université. Ça, c'est tout à fait normal qu'il y ait la CADO, mais qu'elle soit structurée pour que, convenablement, entre étudiants et enseignants, qu'ils acceptent la forme de gestion de la CASO. Oui, mais là, actuellement, que faites-vous pour mettre fin à ces agissements Actuellement Pour l'instant, euh, vu vraiment euh, la situation actuelle de, de l'école nigérienne, il faut qu'on s'arrête et qu'on se retrouve l'autorité, c'est-à-dire le gouvernement, et vraiment tous les acteurs, pour qu'on reprenne vraiment à une table ronde et vraiment structurer tout ce qu'il faut à mettre en place pour, que vraiment la pérennité revienne dans les écoles, dans les universités. Parce qu'à l'université, là, c'est pas comme les collèges et les lycées. C'est des gens de grandes personnalités. Ceux-là, ils finissent aujourd'hui leur, leur, leur, école, ils vont directement eh, eh servir la nation. Tandis que quelqu'un qui va aller faire le brevet, le bac pour aller encore à l'université, il sait encore sous tutelle des parents. Vous comprenez Maintenant, d'une manière générale, c'est que le gouvernement doit arrêter de regarder vers certaines situations, créer une condition et qu'on se retrouve à un forum pour vraiment structurer toutes les questions de l'école, et particulièrement à l'université. La c'est pas, on la diabolise, d'accord, mais c'est qu'il faudrait qu'il y ait vraiment ces règles claires euh, d'application de cette case là pour qu'elle soit vraiment acceptée de tout le monde. D'accord. Monsieur Abdoulaye, donc euh, pour votre information, chers invités auditeurs, euh, pour ce forum, nous avons plusieurs fois sollicité le ministère de l'enseignement secondaire qui n'a pas voulu honorer de sa présence dans ce studio avec nous. Donc, Monsieur Salha, dites-nous selon vous pourquoi ces actes de violence persistent-ils à l'école D'abord, je voudrais rappeler aux responsables de l'association des parents d'élèves que la CASO n'est pas une structure de l'université de façon générale. C'est une structure des étudiants, c'est-à-dire c'est une commission d'épaulement rattachée à l'IENUN. Elle n'a rien à voir avec le fonctionnement de l'université. Ce que nous avons en termes de rapport avec l'université, c'est un rapport partenarial en tant que syndicat, c'est nous qui partons vers le rectorat, par exemple, par rapport à un problème qui concerne les étudiants. Voilà le rôle. La CASO, elle, elle est une commission de parlement. Ça, il faut que nous comprenions ça comme tel. Maintenant, en ce qui concerne euh, la CASO, en fait, c'est pas la CASO de l'université qui existe dans les lycées. J'ai compris comme si on a l'impression que la CASO est considérée comme... Non, en fait, c'est une commission de parlement. Son rôle, c'est d'épauler le comité exécutif dans le cadre de l'exécution d'un programme qu'il a établi dans le cadre d'un mandat bien précis. Donc voilà ce qu'il faut comprendre. Maintenant, en ce qui concerne la violence, pour... Euh, Pourquoi euh, ça persiste selon vous En ce qui concerne, en fait, la persistance de la violence, et la persistance de l'injustice. Aujourd'hui, vous prenez à l'université de Niamey, il n'y a pas meilleure violence qui peut exister au monde que la violence morale. Elle, elle est durable la violence physique, au moins, elle, elle peut être soignée d'ici peu. Mais aujourd'hui, aujourd'hui, vous prenez, vous prenez la violence morale. C'est qu'on vient de nous faire euh, subir en termes de représailles, en observant pratiquement un mois des grèves illimitées des enseignants-chercheurs, autour d'une altercation, à partir d'une altercation verbale entre un enseignant-chercheur et un étudiant, parce que l'enseignant lui-même reconnaît, à travers la note qu'il a écrite, à travers les rapports qu'il a écrits qui, qui étaient considérés comme sa plainte au niveau directeur, reconnaît qu'il n'a pas été cogné, mais il a eu à avoir une altercation verbale avec les étudiants. Et cela vaut le coup que les SNEX lancent un mot d'ordre illimité pendant un mois pour mettre l'université dans une situation de paralysie, un dysfonctionnement régulier de cette institution. Et en même temps, pour indiquer davantage les choses, et pouvoir envenimer la situation qui prévoit à l'université. Le recteur pourraient un arrêté pour dire que non, euh, à partir d'aujourd'hui, toujours dans le cadre des bannissements de la violence en milieu scolaire, même les réunions, il faut que ça soit autorisé, même le, le fait que vous vous regroupez pour faire des exposés, et un enseignant, le fait même que tu les regardes mal, quand il voit que ces regards-là peuvent être interprétés comme violence, eh bien, tu peux être traduit en conseil de discipline pour que tu sois exclu de l'université. En fait, voilà ce qui provoque la violence. Aujourd'hui, combien d'enseignants ont commis des actes, mais qui sont restés impunis à l'université, tout comme ailleurs mais des actes qui sont là, qui sont restés impunis. Mais quand il s'agit d'un étudiant ou d'un élève, tout de suite et maintenant, vous allez constater qu'il y a toute une mobilisation qui sera faite, il y a toute une diabolisation qui sera faite à l'égard de ces couches vulnérables. Donc, c'est de dire qu'en réalité, la meilleure façon pour que la violence puisse être bannie, ce qui, en réalité on doit asseoir à notre sein un climat de justice, un climat de justice sociale pour que les uns et les autres puissent se conformer davantage au texte. Merci Monsieur Salha, vous êtes secrétaire général adjoint de l'UNUN. Monsieur Dambaji, euh, pour continuer, euh, donc euh, qu'est-ce qui, selon vous, qu'est-ce qui a manqué dans le système éducatif dans notre pays par rapport à toute cette violence à laquelle on assiste dans nos établissements Mais mais est-ce que dans nos sociétés, il y a violence Moi, je suis, euh, je suis un peu surpris sur la l'amplification qu'on fait du phénomène. C'est vrai, il y a violence dans nos écoles. Mais il y a violence aussi dans nos sociétés. Dans notre société, il y a violence. Donc, ce qu'il y a dans nos sociétés, là. Donc, ça se reflète nécessairement dans nos écoles. C'est le même type de rapport qu'il y a. Et ce n'est pas pour rien qu'on a prévu les règlements intérieurs. Vous savez, Rahila, les règlements intérieurs du lycée, c'est pratiquement les mêmes dispositions qu'il y a à l'université. Même si on parle de franchise universitaire, c'est les mêmes dispositions. La violence est exclue. On a prévu des conseils de discipline pour sanctionner, que ça soit, parce que le conseil de discipline, ce n'est pas uniquement les élèves. Le conseil de discipline, c'est pour tout manquement au règlement qui a été établi. Donc un enseignant peut faire l'objet d'un conseil de discipline. Mais c'est des choses qui n'arrivent jamais. Pourquoi Non, mais je constate. je constate parce que les enseignants dans la communauté scolaire et de la communauté universitaire, c'est eux qui déterminent la règle du jeu. Et aussi longtemps que ça sera comme ça, là, on ne pourra pas corriger les dysfonctionnements. Mais par exemple, pourquoi un enseignant bon ça je suis enseignant, que j'évalue mon, élève comme je veux et il n'a pas le droit, il n'a pas le droit de contester ce que je fais. Ça ne paraît pas du tout logique. Mm-hmm. Parce que dans mes obligations en tant qu'enseignant, payé par le contribuable, il y a ce qui est attendu de moi. Alors si je ne le fais pas, il faut aussi qu'on puisse me sanctionner. Alors chez eux là, chez eux là, chez les salariés, mais <laughs> moi, j'ai l'habitude de dire à, des collègues, mais l'argent qu'on vous donne dans le privé, il n'est pas plus coloré que l'argent qu'on vous donne dans le public. Donc, vous avez les mêmes obligations. Vous vous trouvez normal, par exemple, qu'on fasse une évaluation et qu'on vienne à la telle section néant sur 300, 400 étudiants. Il y a un problème quelque part. Mais il y a un problème quelque part. Pourquoi, pourquoi on ne s'interroge pas Parce que je trouve que sur 300 étudiants, quand même les 300 ou les 300 élèves, ils ne peuvent pas tous être nuls. Il y, a, quelque, chose qu'il faudrait en, tout cas chercher à savoir qu'est-ce qui s'est passé. Les conseils de discipline sont faits pour ça. Où il n'y a pas de sanction collective, là. Le principe, c'est celui qui commet la faute, elle est avérée, on le sanctionne. Mais vous ne pouvez pas décider de sanctionner par exemple le SG ou le SGA parce qu'elle est responsable de l'ONU. Donc, euh, on est presque à la fin de ce forum. Pour vous, qu'est-ce que euh, les autorités en charge de l'éducation, qu'est-ce qu'ils doivent faire pour euh, améliorer la situation dans les écoles et venir à bout de ces violences Vous savez, tout récemment, il y a eu un accord entre les trois parties, les enseignants, le recteur et le ministre. en six points, ils ont pris d'autres euh, six points. Il faut revenir vraiment à comprendre quelque chose. il y a une partie qui a été euh, mise de côté, c'est les étudiants. Là, nous, ne trouvons pas vraiment euh, juste cette histoire d'accord. Parce qu'il faudrait que l'État accepte de faire asseoir tout le monde autour d'une table pour que vraiment chacun éclaircisse d'abord sa situation et qu'on prenne vraiment des décisions par rapport à tous les problèmes et qu'on ait une correction à tout ce qui a comme problème dans ces universités, dans ces collèges. C'est-à-dire qu'il faut s'asseoir. Tous ceux qui peuvent apporter quelque chose pour l'éducation, vraiment s'asseoir et revoir la situation de l'université et vraiment pour qu'il y ait la sérénité une fois pour toutes. L'État est responsable de tout ce qui adviendra aujourd'hui dans les universités, dans les écoles. Parce qu'il eh, faut, vraiment y ait de l'ordre. D'accord. Merci à vous, Monsieur Abdoulaye Adamou. Vous êtes euh, le président régional des parents d'élèves. Monsieur Salha, pour euh, clore ce forum, euh, selon vous, qu'est-ce qui doit être fait pour que la situation s'améliore dans nos établissements Moi, je pense que d'abord, il faut comprendre qu'il y a des responsabilités qui doivent être situées à tous les niveaux le fait de situer les responsabilités ne peut pas être une solution définitive. Il faudrait qu'on s'assoie sur une table, autour d'une même table, pour pouvoir trouver effectivement des solutions. Le dialogue doit être euh, notre facteur fondamental à travers lequel nous devons trouver des solutions. Et c'est pourquoi les acteurs de l'éducation doivent euh, avoir, ne serait-ce qu'une pérennité, un cadre euh, plus ou moins pérenne à travers lequel ils peuvent se retrouver d'un moment à un autre pour faire une évaluation par rapport à l'exécution d'une situation bien précise ou bien par rapport à l'examen de toute la situation qui prévaut sur le plan national. Parce qu'aujourd'hui, ce qui se passe au niveau de l'école, c'est que nous gérons les problèmes au quotidien. Aujourd'hui, ce problème est venu, on le gère comme il est venu. Mais on n'arrive pas à réfléchir sur des réflexions structurelles, sur des réflexions de l'avenir. C'est ça malheureusement le Niger on gère les problèmes en fonction des, problèmes urgents qui se présentent. On ne crée pas les conditions de réfléchir pour voir par rapport à ces problèmes qui est arrivé aujourd'hui qu'on a pu gérer. Qu'est-ce que nous avons eu à faire en termes de réflexion d'avenir. Donc ces réflexions doivent être menées dans ce sens. Un autre aspect, c'est que les autorités politiques doivent s'assumer doivent s'assumer, notamment quand vous prenez par rapport au, à l'accord qui a été trouvé récemment entre les SNEX, les euh, le rectorat, et le ministère des enseignements supérieurs. On ne pourra pas partir signer un accord entre les SNEX à partir d'un incident qui produit, qui s'est produit à la présence des étudiants, dire que non, il faut signer l'accord entre les, ministères et, les SNEC sans pour autant associer les, étudiants. Cela complique davantage le, climat. Ça veut dire que les autorités doivent s'assumer, soit de créer les conditions de pouvoir régler les problèmes, soit de créer les conditions de pouvoir démissionner et de permettre à d'autres de pouvoir conduire les affaires. Je vous remercie. Merci, M. Salha, secrétaire général adjoint des étudiants à l'université de Niamey. M. Dambaji, vous avez 30 secondes euh, pour un mot de fin. Alors moi, euh, le mot de la fin, c'est le dialogue. Nous sommes une communauté humaine, donc il n'y a pas ce qu'on ne peut pas régler par le dialogue. Or, euh, je me rends je me rends compte que dès qu'il y a le moindre conflit, chacun tire de son côté on ne s'en sortira pas. Donc il n'y a pas de situation qu'on ne peut pas gérer tant qu'on se retrouve pour discuter du reste. Il y a les mécanismes qui sont prévus, nos différents règlements intérieurs, les différents arrêtés, décrets, mais ils ne suffisent pas. Tant qu'on ne discute pas, on ne pourra pas euh, prendre en charge et sans tabou, avec le souci de, de la justice. Il faut être juste si vous voulez réduire au maximum les conflits. Merci à vous, Cheibou Dambaji, secrétaire général des enseignants du secondaire ici à Niamey. Donc, euh, c'est la fin de ce forum pour discuter de la thématique sur la violence en milieu scolaire. Comme invité, nous avons Cheibou Dambaji, secrétaire général du syndicat national des enseignants du secondaire SNES, e Monsieur Salha Kaila, secrétaire général adjoint de l'Union des étudiants nigériens à l'Université de Niamey, et Monsieur Abdoulaye Adamou, président régional des parents d'élèves que nous avions en ligne. Je vous rappelle encore une fois que le représentant du ministère de l'enseignement secondaire n'a pas honoré notre invitation pour participer à ce forum. Donc, euh, tout ce que nous pouvons retenir de ce débat, c'est que la violence dans les écoles serait une mauvaise éducation à la base. Donc, euh, les invités suggèrent que tous les acteurs de l'éducation, parents, enseignants et autorités en charge de l'éducation se réunissent pour dialoguer des faits qui assaillent nos écoles. C'est la fin de ce forum. Merci à vous, chers auditeurs, d'être restés à l'écoute du studio Kalangou. Prochain rendez-vous pour une autre thématique.